ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون تواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا لونج الله Allah nous le remercions nous le louons nous demandons son assistance Nous lui demandons pardon et nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide ne sera point égaré et quiconque Allah égare n'aura point de guide. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. <clears throat> chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, le thème de notre entretien de ce jour c'est Fada'il sabr wa l'ihtisab inda al-masa'ib. Fada'il sabr wa l'ihtisab inda al-masa'ib. Les mérites de la patience et l'espoir à la récompense divine en cas de malheur. Donc c'est ça le thème de notre entretien de ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Chers téléspectateurs, d'abord nous allons parler des mérites de Asabre, des mérites de la patience. Il suffit, chers téléspectateurs, il suffit comme mérite pour la patience que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'annoncer la bonne nouvelle aux endurants. Il va donc leur annoncer la bonne nouvelle par rapport à ce qui les rendra heureux, ce qui leur fera plaisir, tel que une fin heureuse et un bon compte le jour de la résurrection. Une fin heureuse dans ce bas monde et un bon compte le jour de la résurrection. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, أعوذ billahi minash ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله سبحانه وتعالى دي Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord cité les choses par lesquelles il va éprouver ses serviteurs que nous sommes. Puis, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer la bonne nouvelle aux endurants. C'est-à-dire ceux-là qui, après avoir été frappés par ces malheurs-là, après avoir été éprouvés par ces choses-là, euh, se sont montrés quand même endurants. Ils ont fait preuve de patience et de persévérance, eh bien, c'est à ceux-là qu'il est demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi, comme je l'ai dit tantôt? C'est qu'ils auront dans ce bas monde une fin heureuse. Ils vont bien terminer leur existence sur terre. Et le jour de la résurrection, ils auront un bon compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront une bonne récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc voilà la nouvelle, la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer à ceux qui sont endurants en cas de malheur, à ceux qui sont patients lorsqu'ils sont éprouvés. Chers fidèles, chers téléspectateurs, comme mérite encore pour la patience et l'endurance. Il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a, nous a appris dans le glorieux Coran que les patients, les endurants auront une bonne, auront une récompense énorme. Ils auront une récompense sans compter. Ils seront récompensés sans compter le jour de la résurrection. Allah va les récompenser sans compter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran, Innama, sabiruna ajrahum hisab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les endurants auront leur pleine récompense sans compter le jour de la résurrection. Ils auront leur pleine récompense. Et Allah ne va même pas compter cette récompense-là. Donc, ils auront une récompense inquantifiable. La ilaha illallah. Ça fait partie des mérites de la patience et de l'endurance. Et parmi ces mérites également, il y a la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala dont bénéficieront ceux qui sont patients, ceux qui sont endurants. Pour preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran, Ya ladhina amanu. Ya ladhina amanu. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا أولك ريان استعينوا بالصبر والصلاة Cherchez assistance dans l'endurance et la prière, c'est-à-dire la salat. chercher assistance auprès d'Allah dans l'endurance, c'est-à-dire la patience et la prière. Inna Allah Car Allah est avec les endurants. Allah est avec les endurants. Si vous endurez, si vous faites preuve de patience lorsque vous vous trouvez face à une épreuve, lorsque vous êtes frappé par un malheur et que vous continuez à implorer Allah subhanahu wa ta'ala tout en accomplissant la prière, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours avec vous. Allah sera toujours avec vous. Inna Allah ma'asabirin. Allah est avec les endurants. Il est avec les patients. Les endurants, les patients bénéficient de la, proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est toujours avec eux. Et toujours, comme mérite, nous allons euh, nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de s'étonner du croyant. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Ajaban li amril mumin إن أمره كله خير إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Comme le cas du croyant est étonnant, l'affaire du croyant, tout ce qui a rapport au croyant, c'est étonnant. Son cas est toujours étonnant. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est étonné. Et il dit amrahu Tout ce qui concerne le croyant, est un bien. C'est un bien pour lui. Tout ce qui concerne le croyant est un bien pour lui. Et il précise, pour qu'on sache que nul autre en dehors du croyant n'a ce privilège-là. Personne d'autre que le croyant n'a ce privilège-là. Nul en dehors du croyant n'a pas ce, cet avantage-là. Il dit, Et cela n'appartient à personne d'autre que le croyant. le prophète, il prend le soin de préciser cela. Et cela n'appartient à personne d'autre que le croyant. In Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant. Il fait preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bien pour lui. Le fait qu'il soit reconnaissant, qu'il fasse preuve de gratitude envers Allah, devient encore quelque chose de bénéfique pour lui. C'est encore un bien pour lui. Et il dit, Et si un malheur lui arrive, si un malheur l'atteint, il se montre patient. Il se montre patient, il endure cela. Fakana خَيْرَ Allah et c'est aussi un bien pour lui. Le fait qu'il soit endurant, le fait qu'il se montre patient lorsqu'il est touché par un malheur, c'est encore un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Donc, qu'il soit atteint par un bonheur ou qu'il soit atteint par un malheur, quel que soit le cas, le croyant bénéficie toujours. Le croyant en sort toujours gagnant. Il en sort toujours bénéficiaire. C'est-à-dire, il est toujours bénéficiaire de ce qui lui arrive. La ilaha illallah. C'est vraiment étonnant. Mais ce qui nous importe, ce qui nous intéresse le plus dans ce hadith, c'est lorsqu'il dit lorsqu'il est frappé par un malheur, lorsqu'il est atteint par un malheur, sabar il se montre patient. Il endure. Et c'est que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ça soit ainsi. Et il patiente. Il prend son mal en patience. Il ne commence pas par dire de n'importe quoi contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne, se met, il ne se met pas à se faire une mauvaise, à se faire une mauvaise idée de son créateur. il patiente. Et ça devient un bien pour lui. Chers téléspectateurs, c'est donc ça le peu qu'on peut dire par rapport au mérite de la patience. Par rapport au mérite, il y en a, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mérites pour la patience, beaucoup de mérite pour l'endurance. Mais à cause du temps, on va seulement se contenter de ce, que nous venons de citer comme mérite pour la patience. Chers téléspectateurs, parlons à présent des euh, différentes sortes de patience. Sinon, en d'autres termes, des, des cas dans lesquels on a besoin d'être patient. Les cas dans lesquels nous avons besoin, l'homme a besoin d'être patient. Les ulémas nous disent que Il y a trois sortes de de patience. C'est-à-dire, il y a trois cas dans lesquels l'homme doit se montrer patient. L'homme doit faire preuve d'endurance. Il y a trois cas. Le premier, asabru ala ta'a. C'est la patience que nous devons avoir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala la patience dont nous avons besoin pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui et lui seul. Sans rien lui associer. Donc, nous avons besoin d'être patients pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Pour preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Je cite Wa'mur ahlaka bis وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة لل والعاقبة للتقوى الله سبحانه وتعالى دي o Ô messager, ô Muhammad, ordonne à ta famille d'accomplir la prière. Ordonne à ta famille d'accomplir la salat. Wastabir alayha. Et efforce-toi d'y être persévérant. Efforce-toi d'y être persévérant. Nous n'allons pas te demander euh, une subsistance. Nous ne te demandons pas une subsistance. On n'attend pas cela de toi. C'est nous qui allons t'accorder la subsistance dont tu as besoin. Wal Et une bonne fin existe pour la crainte d'Allah. C'est-à-dire ceux qui vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ceux-là que euh, euh, c'est ceux-là qui auront une bonne fin, une fin heureuse. C'est ça le premier cas dans lequel nous avons besoin de d'être patient. Nous avons besoin d'être patients dans ce cas-là. <clears throat> C'est-à-dire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah a donné seulement un exemple la prière. De la même manière que nous avons besoin d'être patients, d'être endurants pour accomplir la salade, nous avons besoin d'être patients et d'être endurants pour, euh, pour jeûner, pour accomplir le jeûne. Nous avons besoin d'être patients et endurant pour accomplir euh, euh, le pèlerinage. Nous avons besoin d'être patients et endurants pour acquitter la zakat. Sinon, tout cela, ce n'est pas facile. Mais il faut se montrer patient et endurant pour pouvoir le faire. Quel que soit l'acte d'adoration que nous voulons accomplir, il faut être patient pour pouvoir l'accomplir comme Allah subhanahu wa ta'ala euh, euh, nous l'a recommandé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mérite. Nous avons besoin d'être patients. C'est ça le premier cas. Et le deuxième cas, <clears throat> c'est lorsque, c'est lorsque nous sommes face nous sommes dans une situation où on est tenté de commettre le péché. Lorsqu'on se trouve dans une situation où on est tenté de commettre le péché, dans ce cas-là, nous avons besoin aussi d'être patients. Nous avons besoin d'une forte dose de patience et d'endurance pour ne pas tomber dans le péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit وجعلنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله سبحانه وتعالى دي وجعلنا بعضكم les ba'adin fitna. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Allah nous éprouve les uns par les autres. Tu seras tenté par ton fils. Tu seras tenté, c'est-à-dire euh, euh, grâce à ton fils, de tomber dans le péché. Tu seras tenté par le péché, c'est-à-dire à travers ton fils. Voilà. À travers ton fils, tu peux être tenté par le péché. Parce que tu veux satisfaire ton fils. Tu veux lui assurer un avenir meilleur. Tu es tenté de commettre du péché pour y parvenir. Parce que tu veux satisfaire ta femme, tu es tenté parfois de commettre des péchés pour y parvenir. Parce que tu ne voudrais pas que ton mari regarde ailleurs. <coughs> Toi, femme, tu es tenté parfois de commettre des péchés. Parce que tu veux être aussi à la mode. Tu veux construire aussi de belles maisons. Tu veux rouler aussi dans de, dans de belles caisses, dans de grosses caisses. Parce que tu veux faire ce que tes amis font de bien. Tu es tenté parfois de commettre de péchés. Tu es tenté de commettre de péchés. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fitna. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. en Endurerez-vous avec constance? Est-ce que vous allez vous montrer endurant? Est-ce que vous allez vous montrer patient? Allez vous faire preuve de patience avec constance. Avec constance. Est-ce que vous allez faire cela? Donc ici, c'est pas une question en tant que telle. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous enjoindre à la patience, à l'endurance. Il nous exhorte à cela. Parce que c'est seulement grâce à cela qu'on peut surmonter cette épreuve-là. C'est grâce à cela qu'on peut surmonter cette épreuve-là. C'est grâce à cela qu'on ne va pas tomber dans le péché. Qu'on ne va pas commettre ce péché-là qui est en train de nous tenter. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, Et ton Seigneur demeure clairvoyant. Il voit tout ce qui t'arrive dans la vie. Il voit comment tu es en train de l'implorer, comment tu es en train euh, euh, de l'invoquer. Malgré tout, il voit ça. C'est à toi d'être patient et Inch'Allah, ce que tu es en train de désirer finira. Tu finiras par l'avoir, Inch'Allah. Donc, chers téléspectateurs, voilà le deuxième cas où nous avons besoin de nous montrer patients et endurants. Et le troisième cas, c'est lorsque nous nous trouvons face, lorsque nous sommes frappés, nous sommes atteints par un malheur. Lorsque nous sommes atteints par un malheur, nous avons besoin, là aussi, de nous montrer patients et endurants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ahasiban nasu Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna na hum la yuftanun Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver Est-ce qu'ils pensent là Chers téléspectateurs, c'est ça le troisième cas, c'est-à-dire lorsqu'on est atteint par un malheur. Nous avons besoin de nous montrer patients. Donc, euh, nous allons, euh, nous allons nous arrêter ici d'abord pour continuer dans la deuxième partie, InshaAllah. ta'ala. سبحانك bihamdik, bihamdik, an la لا illa ant, astagfiruka wa atubu ilayk. asalaamualeykum warahmatulahi wabarakatu ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń ta ìmọ́lẹ̀ sórí Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna ìkànnì tó ń tàn mẹ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni súnà tv yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ìkọ̀ tó péye nípa súnà. àwọn olùbíláhi mi náà ṣe ìtọ́ ni rajim bisimilahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa baad. donc nous revoici dans la deuxième partie de notre entretien. Nous disons donc, nous donc tout à l'heure que le troisième cas où le croyant a besoin d'être patient, où il a besoin de se montrer endurant, c'est lorsqu'il est atteint par un malheur. Et pour preuve, on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, il nous interroge. Mais ce n'est pas une interrogation en tant que telle. Il dit quoi Il dit, est-ce que les gens, hum est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, Amanna, nous croyons, nous avons la foi, hum sans les éprouver est-ce qu'ils pensent qu'on les laissera dire cela sans les éprouver C'est pour nous dire, là, ce n'est pas une question, ce n'est pas une interrogation en tant que telle, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est en fait pour nous dire que nous n'allons pas les laisser dire. Nous n'allons pas laisser les gens dire que nous croyons sans les éprouver. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver. Et le verset que nous avons cité tout à l'heure est en train de nous

nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Donc là, dans ce verset, Allah, est en train de nous montrer ce par quoi il va nous éprouver. Il en a cité, il en a cité là quelques-uns parmi les choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver ses serviteurs. Donc c'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous laisser dans ce bas monde-là, sans nous éprouver. Et nous allons nous réclamer croyants. Nous allons dire que nous sommes des croyants. Et Allah ne va pas nous éprouver. Même dans un hadith, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux-là qui sont les plus, éprouvés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre à l'ambiya. Ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes. Ce sont les messagers d'Allah qui sont les plus éprouvés. Ils sont les plus éprouvés. Et plus maintenant, parce que c'est les prophètes, c'est les messagers d'Allah qui ont le plus haut degré de foi, le plus haut degré de croyance. Plus maintenant, tu seras, la foi du croyant sera plus proche, plus euh, la foi du croyant sera proche de celle des prophètes, plus il sera éprouvé. C'est-à-dire, Allah va nous éprouver en fonction du degré de notre foi. Plus tu es croyant, plus tu es éprouvé. C'est ça. C'est ça. Et ce n'est pas pour ça que nous allons dire maintenant que, bon, moi je vais, je vais essayer de ne pas être trop croyant. Ah, il faut l'être. Il faut toujours chercher à avoir un, degré euh, euh, plus haut un degré plus haut de la foi. Il faut toujours chercher à la voir. Il faut toujours chercher à grandir dans la foi. C'est ça. Plus on est croyant, plus on est éprouvé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous récompenser grâce à cette foi, à cette foi-là que nous avons. Et si on est éprouvé et on arrive à garder notre foi malgré l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala réserve pour nous une récompense énorme auprès de lui. C'est ça, chers téléspectateurs. si Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, nous éprouve par un malheur, si un malheur nous atteint, et que nous disons que nous n'allons pas accepter cela, Allah peut nous éprouver encore par un malheur plus grand que ça. Qu'est-ce que nous allons faire Qu'est-ce que nous allons faire Il y a un, un poète du nom de Zuhair Boun, du nom de Zuhair, qui nous dit, il dit, Salasun, Salasun ya'izzu sabru inda hululiha, ويذهل anha عقل kulli labibin.

arrive à l'homme. C'est-à-dire, il y a trois malheurs, trois sortes de malheurs. Lorsque l'un de ces malheurs-là atteint l'homme, il est difficile pour l'homme de se montrer patient. Cela ne veut pas dire que le croyant ne sera pas patient. le croyant sera patient. Mais, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Ces trois choses-là. Et il dit, Lorsque l'on est frappé par l'un de ces malheurs-là, eh bien, celui qui est intelligent, celui que vous connaissez intelligent, Wallahi, il va se comporter il va se conduire maintenant et vous allez vous demander s'il est encore normal. Parce qu'il va perdre la raison. <clears throat> Il va perdre la raison. Il ne va pas se comporter comme quelqu'un qui réfléchit. La première chose, c'est lorsque l'on est appelé. C'est lorsque l'on est obligé à aller en exil, quittant le pays, quittant la terre, quittant la ville que nous aimons si tant. Lorsque l'on est obligé à aller en exil, laissant derrière soi le pays que nous aimons tant, Laissant derrière soi la ville que nous aimons tant. Laissant derrière toi la terre qui est tant, qui nous est, qui nous est, euh, euh, euh, qui nous est chère. On va laisser cela. On est obligé de quitter. Dans ce cas-là, l'épreuve est dure et il est difficile de se montrer patient il est difficile de se montrer patient. C'est ce qui amène parfois à aller jusqu'aux armes. Ça amène parfois à aller jusqu'aux armes. jusqu'à aller faire la guerre, parce qu'on ne veut pas quitter cette terre-là. Là, c'est si on est en position, euh, euh, si on a les moyens de faire la guerre. Wallahi, on peut faire la guerre pour défendre cette cause-là, pour se défendre, pour dire que je ne vais pas quitter. On est prêt à aller jusqu'aux armes. Et la deuxième chose, lorsque euh, on veut se séparer, lorsqu'on est obligé de se séparer de ceux que l'on aime, c'est-à-dire de nos frères. Lorsqu'on est appelé, lorsqu'on est, euh, est obligé de se séparer de nos frères, là aussi c'est une épreuve. C'est pourquoi des fois quand on a, euh, euh, veut aller continuer, par exemple, on veut aller poursuivre ses études, ses études à l'étranger, mais vous allez voir les gens, les frères, pleurer. Ils vont se mettre à pleurer. Celui qui part pour poursuivre ses, études à l'étranger, il va se mettre à pleurer. Ses pères et mères, euh, euh, ses, frères, ses sœurs vont se mettre aussi à pleurer. Parce que c'est une, ça aussi, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Parce qu'il est en train de partir. Est-ce qu'on va encore se revoir Est-ce qu'on va encore se revoir C'est ce qui amène parfois à pleurer, ça. Il est en train de partir. À quoi va-t-il faire face là-bas, à l'étranger, où il n'y a ni père ni mère, ni frère ni sœur Quelle vie va-t-il mener là-bas Tout ça, ça fait pleurer. Et la troisième chose, habibin. Lorsque l'on perd quelqu'un qui est cher à soi, lorsque l'on perd un, ami, lorsque l'on perd euh, son père, sa mère, son frère, sa sœur, lorsque quelqu'un qui nous est cher quitte ce bas monde. Et c'est la dure des épreuves, ça. C'est la plus dure, ça. On a des difficultés à se montrer patient en ce moment. Mais si on refuse de se montrer patient, si on refuse d'être endurant, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire contre cela Parce que c'est le décret d'Allah, c'est la volonté d'Allah. Est-ce que nous pouvons quelque chose contre cela Nous ne pouvons rien, chers téléspectateurs. Nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi un autre poète nous dit, annaka illam tastabir karama illam bi annaka illam tastabir karama sabarta qahran ala ma khutta bil qalami illam bi annaka illam c'est-à-dire, il est en train de, nous dire, sache, sache que si tu refuses d'accepter, si tu refuses de te montrer patient et endurant face à un malheur, qui t'a atteint. Tu refuses de te montrer endurant, caroman, de ton plein gré, c'est-à-dire de gré. De ton plein gré, si tu n'acceptes pas le décret d'Allah, tu n'acceptes, tu n'acceptes pas la volonté d'Allah, tu finiras par accepter de force tu finiras par être patient de force. Autant accepter de gré pour être récompensé. Autant accepter immédiatement lorsque l'on est frappé par ce malheur-là et espérer en la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Autant accepter cela. Autant se montrer patient. Pour ne pas dire de n'importe quoi. Pour ne pas tomber dans le blasphème. Pour ne pas commettre le blasphème. Autant accepter. Pour ne, pas commettre de bêtises. Qui vont nous euh, euh, qui vont nous faire perdre d'abord la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont nous amener à, à, euh, subir encore de châtiments le jour de la résurrection. Il faut accepter. Il faut accepter lorsque l'on est frappé par un malheur. Il faut se montrer patient. Chers adorateurs et chers fidèles, chers téléspectateurs, lorsque l'on est frappé par un malheur, lorsque l'on se trouve face à une épreuve, les hommes sont divisés en trois parties. il y a trois, trois catégories d'hommes face à l'épreuve. La première catégorie, c'est محروم من الخير يقابل البلاء بالتسخط وسوء الظن بالله واتهام القدر C'est celui qui est privé du bien. Il est privé du bien. Pourquoi parce que il oppose la colère au décret d'Allah. Il oppose la colère à la volonté d'Allah. Pourquoi moi Pourquoi cela doit-il m'arriver Malgré toutes mes prières, malgré tous mes jeûnes, malgré euh, euh, la zakat que j'acquitte, malgré euh, euh, tout ce nombre de pèlerinages, de pèlerinages que a déjà accompli, malgré tout cela, est-ce qu'il faut encore que ce malheur-là m'atteigne Est-ce qu'il faut encore que ce malheur-là m'arrive Il ne faut pas que ce malheur-là m'atteigne, moi. Vous voyez Qui t'a dit que ce sont les autres qui méritent d'être atteints ce malheur-là. Est-ce à toi maintenant d'apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est bon pour toi ou ce qui est bon pour les autres Donc, en faisant cela, cette personne-là est en train de, de se faire de mauvaises idées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est en train de d'accuser le destin. Il est en train de remettre Allah en cause et de remettre le destin en cause. Et c'est pourquoi il sera purement et simplement privé du bien. billah, qu'Allah nous en préserve. On ne pose pas la colère au décret d'Allah. On ne pose pas la colère à un malheur lorsqu'on en est atteint. Lorsqu'on est atteint par un malheur, on ne pose pas la colère. Parce que opposer la colère à ce malheur-là, c'est comme si on était en train de s'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'oppose à la volonté d'Allah On n'est pas d'accord avec ce qu'Allah a décrété pour soi. C'est ce que ça veut dire. Et la deuxième catégorie, c'est celui qui a été mené à bien. C'est celui qui a été mené à bien. Pourquoi Parce que lui, quand il est atteint par le malheur, il oppose à ce malheur-là qu'il a atteint à sobre, la patience l'endurance. Il se montre endurant. Il se montre patient. Et il se fait une bonne idée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se fait une bonne idée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que ça, c'est Allah qui a voulu que ça soit ainsi. C'est Allah qui a voulu que cela m'arrive. Je l'accepte. C'est ça, la deuxième catégorie de personnes. Ce dont nous sommes en train de parler. Et la troisième catégorie, c'est celui qui non seulement il accepte, non seulement il est patient, non seulement il est patient, et il fait preuve de patience face à l'épreuve ou face au malheur qu'il a atteint, mais il est satisfait. Il se montre satisfait et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala après avoir été frappé par un malheur. Il remercie encore Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de plus encore que la patience, que la simple patience. non seulement lui, il est patient, mais il est satisfait encore. Il se montre satisfait. Il se montre satisfait. C'est ça la, troisième catégorie de personnes. Mais c'est la deuxième là, c'est de la deuxième là que nous sommes en train de parler, chers téléspectateurs. J'ai dit tout à l'heure que ceux qui sont les plus, ceux qui sont plus éprouvés, ce sont les croyants. Et cela, ce n'est pas pour rien. Il y a là une sagesse. Il y a là une sagesse divine. Allah subhanahu wa ta'ala veut par cela dépêcher euh, le châtiment pour son serviteur dans ce bas monde, pour son serviteur croyant dans ce bas monde. Il veut que déjà dans ce bas monde, il reçoive déjà son châtiment et il ne sera pas châtié dans l'au-delà si forcément il devait, Allah subhanahu wa ta'ala devait le châtier, il va euh, euh, hâter, il va lui hâter ce châtiment-là dans ce bas monde et il ne sera plus châtié dans l'au-delà. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a envie de l'élever en degré. Donc c'est pourquoi il est en train de l'éprouver. C'est pourquoi il est en train de l'éprouver plus que ceux qui ne sont pas les croyants, ceux qui ne sont pas croyants. Voilà pourquoi Allah éprouve plus les croyants que les mécréants. Un mécréant n'est pas autant éprouvé, n'est pas aussi éprouvé que les, le croyant. Non. Vous allez voir le mécréant dans ce bas monde mener une belle vie, il est, il est à l'aise, il n'a pas de soucis, il est bien, alors qu'à côté de lui, il y a un croyant qui prie régulièrement, qui se lève encore la nuit pour encore prier Allah subhanahu wa ta'ala et Il jeûne le mois de Ramadan. En plus de ça, il jeûne encore d'autres jeûnes, il fait encore d'autres jeûnes surérogatoires. Il acquitte la zakat, il fait des aumônes, il fait le pèlerinage, euh, euh, euh, le Hajj, la Omra. Il fait tout cela. Malgré cela, il est toujours éprouvé. Soit il perd sa maman, il est éprouvé par le décès de sa maman. Quelque temps après, c'est son enfant qui, qui meurt encore. Quelques jours après, c'est sa femme qui part il sort d'une épreuve pour entrer dans une autre. Et lui, il est croyant. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Allah veut l'élever en degré ou bien il veut lui hâter son châtiment dans ce bas monde. Parce que toutes les fois, quand il va se montrer, croyant malgré toutes ces, toutes épreuves-là, eh bien, Allah l'élève en degré auprès de lui. Et il lui réserve une bonne récompense dans l'au-delà. Contrairement aux, mécréant mécréants qui vit bien, il est toujours à l'aise. Aucun problème. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la comparaison entre les deux. Il dit que le, le croyant est comparable à un arbre qui est secoué, qui est souvent secoué par un vent violent. Un arbre qui est secoué à tout moment par un vent violent. Tandis que le mécréant est comparable à un plan. Il est comparable au plan de riz. Vous voyez le plan de riz qui ne fait pas l'objet d'aucune secousse, qui ne fait l'objet d'aucune secousse. C'est ça le mécréant. Chers téléspectateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui la personne qui a été le plus éprouvé. Il a perdu son oncle. Il a perdu sa femme Khadija. Alors que ces deux-là étaient d'un grand soutien pour lui. Dans le moment où il avait plus besoin de ceux-là, Allah les a rappelés. en plus du fait qu'il a été, il est né sans père. Quelques années après, il a perdu encore sa maman. Ceux qui étaient encore ses soutiens, il les a perdus. Il a perdu son enfant. Il a perdu tous ses enfants. Seule Fatima était encore vivante après le décès du prophète Mohammed Et c'est pour cela et malgré tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été patient. Il a toujours été endurant. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne, il, représente pour tout croyant le bel exemple à suivre, le bon modèle à suivre. Chers téléspectateurs, voilà eh, euh, en quelques voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire par rapport à notre thème, les mérites de la patience et l'espoir en la récompense divine en cas de malheur. Donc, en somme, pour avoir cette récompense-là, pour avoir espoir en cette récompense, il faut avoir foi en Allah et craindre véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une femme qui était au pied d'une tombe et elle pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi Ittaqillaha wasbir. Crains Allah et patiente. Fais preuve de patience. Crains Allah et fais preuve de patience. Et, à travers le hadith que nous avons cité tout à l'heure aussi, et, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le cas, comme le cas du, euh, croyant est étonnant, il a dit, ça à dire le croyant, et cela n'appartient à personne d'autre le croyant. Donc le croyant arrive à faire preuve de patience à cause de sa croyance. À cause de sa croyance. Donc la croyance et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les choses là qui vont nous amener à avoir, à faire preuve de patience et d'endurance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux-là qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure manière. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم